le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou forum du studio Kalamgou forum du studio Kalamgou forum du studio Kalamgou forum du studio Kalamgou forum du studio Kalamgou forum du studio Kalamgou forum du studio Kalamgou forum du studio 18h passé de 15 minutes à Niamey. Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce nouveau numéro du Forum du Studio Kalangou qui est un espace d'échange et de débat dans une présentation de Mokhtar Hamadou. Chers auditeurs, aujourd'hui vendredi 13 juillet 2018, le forum est consacré au décryptage de l'actualité de la semaine marquée par le procès mardi au tribunal de Niamey des acteurs de la société civile arrêtés le 25 mars pour manifestation interdite contre certaines dispositions de la loi de finances 2018. La fermeture hier pour non-paiement d'impôts des services administratifs de, certaines radios et télévisions privées de Niamey, avec à la clé la suspension des programmes de Saraunia, un pouvoir un principe du ressort du Conseil supérieur de la communication sur le plan académique après le déroulement des examens du BEPC. C'est à Tilaberi que le ministre de l'Enseignement supérieur a lancé mercredi le euh, début des épreuves du baccalauréat session 2018. Sur le plan humanitaire, le Niger va continuer à servir de pays de transit pour euh, les demandeurs d'asile, notamment acheminés de la Libye voisine par l'ONU, a indiqué samedi le président nigérien Issoufou Mahamadou lors de son entretien avec la vice-présidente présidente des Nations Unies en visite à Niamey et à Maradi. En sport, euh, la Croatie s'est qualifiée pour euh, la toute première fois à la finale de la Coupe du monde de football. Les Croates ont disposé de la puissante Angleterre par deux buts à un. Un match difficile joué mercredi à Moscou. La Croatie sera ainsi face à la France pour euh, la grande finale de dimanche. Pour analyser ces sujets d'actualité, nous avons le plaisir de recevoir Alhaj Mohamed Suleiman, directeur de la rédaction du journal en ligne Niger Inter. Alhaj Mohamed Souleiman, bonsoir. Bonsoir. Ousseini Issa, journaliste indépendant. Ousseini Issa, bonsoir. Bonsoir. Et Roufaï Dandoua, journaliste sportif. Roufaï Dandoua, bonsoir. Bonsoir. Commençons par la principale actualité du pays, à savoir le procès de mardi à Niamey d'une vingtaine de prévenus appelés à la barre pour organisation, participation à une manifestation interdite et saccage de biens. Le procès marathon a abouti à un réquisitoire du ministère public qui a demandé trois ans de prison ferme contre nous, Mohamedou Arzika, Moussa Tchangari, Ali Idrissa et un an ferme de prison pour l'avocat Lirwana Abdraman. La relaxe pour d'autres co-détenus. Maître Ahmed Mamman, membre du collectif des avocats des accusés, espère la relaxe de ses clients le 24 juillet prochain, jour du verdict. Il est au micro de Habibou Garba. La peine requise, ce n'est qu'une proposition du ministère public. J'ai la ferme conviction qu'un tribunal indépendant et impartial ne saurait suivre le ministère public dans ses réquisitions. D'ailleurs, au-delà du fait que les infractions ne sont pas constituées, il faut relever qu'il y a des nullités relativement à l'ordonnance qui les a renvoyées devant le tribunal correctionnel. Et nous estimons que le tribunal nous suivra sur les nullités que nous avions soulevées par rapport à cette procédure. Le délibéré est prévu pour le 24 juillet 2018. Du point de vue du droit, je vous dirais que je suis confiant qu'à partir du 24, ils vont recouvrir leur liberté. Mais s'il y a une mise c'est que nous pouvons nous attendre à tout. Mais quand nous vous disons que nous pouvons nous attendre à tout, c'est que cela veut dire qu'on ne va pas aussi croiser les bras. Nous allons continuer à nous battre parce que c'est cela aussi la mission de l'avocat. Face à l'injustice, nous devons nous lever. Et vous aviez constaté hier une frustration qui s'est lisait sur tous les visages. Ousenissa, Pensez-vous que le 24 juillet, toutes ces personnes seront libérées comme le pense leur avocat On l'espère parce que du début de la procédure, en jusqu'au jour du procès, on a vu un peu comment la mobilisation s'est faite. Et le jour du procès, on a vu aussi la forte mobilisation. Et les avocats ont défendu, ils ont défendu de manière vraiment professionnelle leurs clients. Parce que tout simplement, les personnes qui sont aujourd'hui dans cette situation de détention, ou du moins les principaux, les leaders même, on sait dans quelles circonstances ils ont été arrêtés. Ils ont été arrêtés dans une démocratie. Je pense que la liberté de manifestation, c'est une liberté consacrée par la Constitution. Ils ont appelé à manifester, mais ils n'ont pas été à cette manifestation, ou du moins la manifestation n'a même pas pu se tenir. Mais malgré tout, on les a pris, ils ont quand même quelques trois mois de, détention, je pense que le verdict, quand ça va tomber, ils vont considérer, en fonction de ce que les avocats ont eu à développer comme argument, argumentaire, on va pouvoir les libérer. Alagé Mohamed Souleiman, quelles sont vos attentes le 24 juillet, jour du délibéré euh, je, ne, je, ne, voudrais pas rentrer dans le, dans le fond de cette question à partir du moment où euh, l'affaire est en justice et on attend même seulement le, délibérer. délibéré. Mais moi j'ai quelques observations, euh, c'est que récemment, euh, en croire un certain nombre de récriminations, on nous a fait croire que ce dossier serait vide. Mais un dossier vide qui a suscité jusqu'à 15 heures de, de débat, c'est pas seulement le nombre de personnes mais il y a que les avocats. Du, matin jusqu'à tard dans la nuit. Les avocats ont fait leur, travail. Euh, le parquet a aussi fait euh, étaler ses arguments. Dans tous les cas, le plus important, il y a eu un grand procès, un procès contradictoire. Et c'est ça qui est notre démocratie. Autrement dit, de ce point de vue-là, c'est ce qu'en tant que citoyen, on s'attend en tout cas à ce que dans un procès, c'est deux parties. Il y a la défense et bien sûr donc euh, l'accusation. Donc de ce point de vue, euh, les, situations témoins, il y a eu un débat contradictoire. C'est très très important pour notre démocratie. Euh, deuxième élément, euh, ce que j'ai constaté qu'au niveau des, des, débats, effectivement, ce qui est intéressant, c'est de voir en tout cas un certain nombre de, propos qui ont été tenus librement, en, en, tout cas, parce que d'aucuns diraient que euh, euh, par exemple, euh, on a appris malheureusement que Maître a encore fait face à la justice par rapport au propos qu'elle a, tenu comme outrage à, magistrat. Donc tout cela, en tout cas, je pense que c'est important de le, souligner ça, ça honore notre démocratie. En tout cas, c'est ça aussi un procès. donc, moi, ce qui m'intéresse vraiment en, tant que citoyen de ce pays-là, je voudrais que le juge vraiment tranche selon son intime conviction. C'est cela, je pense, la le, le, juge dit le droit. Absolument, qu'il dise le droit. Euh, c'est ça vraiment, je pense que, enfin, juste en tout cas, euh, considérer que ces gens, s'ils n'ont rien fait, en tout cas, si la loi, euh, ils n'ont pas violé la loi, effectivement, qu'ils soient libres le 24. Si effectivement c'est le contraire, donc maintenant, effectivement, qu'il n'y ait pas cette façon de mauvais perdant, considérer que le juge est forcément, euh, je veux dire, euh, s'il ne dit pas ce qu'on s'attend, qu'il n'est pas indépendant. C'est un peu ça qui est le danger, en tout cas. Je pense en démocratie, c'est ça, en tout cas, un procès. Euh, que, une chose est sûre, le verdict sur pile ou face, soit il va être condamné, soit il va être relaxé. Rufai Dandoua, le procès qui était public a permis à toutes les parties de s'exprimer largement. Pensez-vous que euh, toutes euh, ces deux parties ont suffisamment été claires pour euh, permettre aux juges d'apprécier sans difficulté euh, merci. 15 heures de, procès, je n'ai pas souvenance d'avoir euh, vécu ce genre de, procès au Niger. Même euh, l'attrait médiatique à faire des bébés emportés n'a pas suscité aussi autant de, bruit, autant d'attention de la part de, des citoyens nigériens. Et je pense que, comme l'a dit El Haï, c'est bien pour la démocratie nigérienne. et moi, je m'attends à ce que c'est vrai que le juge dise le droit le 24. Mais aussi, euh, je m'attends à ce que pour la culture sociale, pour euh, euh, la paix, pour sauver la paix et sauver ce qui peut l'être dans ce pays. Et au-delà de, de, dire, de dire le droit que le juge sache ou se dise que ces gens n'ont quelque part pas déjà assisté aux manifestations, même si c'est eux, eux, les leaders qui ont appelé à, la manifestation, qu'ils se disent aussi que c'était un droit constitutionnel qu'ils avaient, qu'ils avaient eh, manifesté. Je pense que eh, ils ont payé plus de quatre mois, je crois, depuis mars, non plus de 4-5 mois, je pense que et, il, est, temps qu'ils sortent pour qu'on passe à autre chose. Le Niger a besoin de tous ses enfants, a besoin de tous ses fils, qu'ils soient de l'opposition ou de la majorité, qu'ils soient de la société civile ou non. On a besoin de tout le monde pour construire ce pays. Surtout qu'il y a de, beaucoup d'échéances euh, qui attendent ce pays. Et je pense, et d'après aussi ce que j'ai appris et de la part des propos tenus par les avocats, de la part des propos tenus aussi par les acteurs de la société civile. Chacun s'est exprimé librement. Et moi, je, crois je pense que le 24, ils seront relâchés. Hier jeudi, au motif euh, du non-paiement des impôts, le fisc a fait une descente dans plusieurs organes des médias privés de Niamey. Si à Canal 3, c'est l'administration qui a été bloquée jusqu'à ce matin, à la radio et télévision Saraunia, les agents des impôts sont allés jusqu'à faire arrêter les programmes. Rufai Dandoua, comment expliquer cette opération? Mm, j'ai lu euh, le poste de Raïs Suleiman hier, <laughs> juste après la fermeture, quand il disait au ministre des Finances que ce n'est pas cela qui, déjà, qui va faire rentrer les sous dans, dans les caisses de l'État. Oh, déjà, il y a combien d'organes on, reproche, je crois, 30 millions à, à Même si on prend 30 millions, 30 millions pour toutes les télévisions, on prend 5-10 millions pour les journaux, combien, combien ça va faire pour le pays Je pense que ce n'est pas la solution. C'est encore encore s'attirer et, se faire d'autres ennemis, s'attirer le four de, la société qui déjà a d'autres problèmes à gérer. Quand aujourd'hui eh, vous venez fermer des organes de presse qui peinent déjà à, survivre parce que on, a, on, a, tous euh, fréquenté des rédactions, on sait comment ça, ça, c'est géré cas. Hein. Des fois, on ne paie même pas les salaires. Des fois, euh, vous voyez, à peine on, on, paye le carburant pour faire fonctionner les voitures de reportage. Et même, même, ça fait un bon bout de temps, les fonds d'aide à la presse ne sont pas versés à ces organes de presse. Mais les fonds d'aide à la presse, dans tous les cas, on donne quoi 10 millions ou 17 millions au plus euh, au premier, au premier entre griffes, on donne 15 millions. Qu'est-ce que ça va faire 15 millions ça, ne paye même pas le salaire. Vous payez quelques matériels, vous payez euh, des voitures, ceux qui se marient se marient, ceux qui <laughs> prennent des femme, prennent des enfants. Moi, je pense que ce n'est pas la solution. Et c'est vrai, même si les gens ont voté, à un certain moment, et n'ont pas payé d'impôts. Et je crois qu'il y a beaucoup de mécanismes qui sont là pour, pour éponger cela, mais pas fermer les organes, c'est une, une, façon pour moi de museler encore eh, la liberté de la presse et ce dont on n'a pas besoin aujourd'hui. Alhaj Mohamed Souleyman, si les entreprises de presse sont en faute pour non-paiement d'impôts, couper le signal est aussi une faute. Comment, prévenir, comment parvenir à une solution équitable dans le contexte actuel euh, Justement, euh, vous l'avez dit, couper le signal relève de la prérogative du CSC, comme la dernière situation qu'on a vécue à Delabari où effectivement le gouvernement n'était pas habilité de fermer la barrière. Donc il y a aussi un abus euh, donc euh, d'autorité. Mais par rapport au, à la question en tant que telle, euh, moi j'ai dit qu'il faut être réaliste. Il n'y a pas d'argent dans la presse. Nous, nous le disons en toute objectivité. Parce en connaissance des de cause. Absolument. Et c'est pourquoi tous les gouvernements qui sont succédés il y a eu des velléités effectivement de, de, taxer la presse au réel, mais c'était un fiasco parce que vraiment c'est tout simplement un, un, échec programmé. Il n'y a, pas d'argent. Les, les, organes les plus en vue aujourd'hui, si on que cette mesure, le vont fermer. Et maintenant, quelle est la conséquence on va considérer que le gouvernement a fermé les, les, les organes de presse, mais en réalité, c'est parce que la presse joue un rôle des services publics, elle est régie par une loi spéciale. À savoir que euh, vraiment le gouvernement lui-même, il a besoin en tout cas de ce qu'on est en train de faire. Il y a aujourd'hui des, émissions dans le programme qu'on ne peut pas vraiment quantifier l'impact au niveau de la société. Donc en réalité, ce n'est pas aussi euh, je veux dire, un effet Ne pas penser que fermant les organes, on fait mal en fait, seulement aux organes, mais on fait mal au pays, on fait mal à la société. Sans aussi oublier le fait que l'opinion publique nationale et internationale vont considérer qu'en réalité, le gouvernement est liberticide parce que simplement la liberté de presse compte comme un moyen, en tout cas, pour mesurer les valeurs, en tout cas, dans un, pays. Donc, bref, moi, je pense qu'il faut être réaliste. Le ministre des Finances doit reconsidérer en tout cas sa position, revoir comment discuter avec vraiment euh, les organes de presse pour vraiment trouver une solution qui arrangerait le pays. Hussein Issa, que préconisez-vous pour euh, éviter un tel désagrément qui a, qui a un impact euh, sur l'opinion publique bon, En réalité, c'est un processus que j'ai un peu, comment vais-je dire, euh, j'ai suivi depuis pratiquement les notifications, tout ça, par rapport au montant qui devait être payé. Par le passé, on a fait des combats pour éviter justement à ce qu'on en arrive là. C'était la patente synthétique à l'époque du jour au lendemain, ou du moins c'est dans le contexte actuel, on vient, on dit, on impose, il y a des médias à qui on a amené 29 millions, 30 millions, 37 millions. Bon, c'est mal connaître, ou du moins c'est de la mauvaise foi, parce qu'ils sont censés connaître comment ces médias-là, en tout cas, vivent dans un environnement très difficile, parce que l'environnement économique, pour les médias au Niger, tout le monde le sait, les gens tournent au jour le jour on va venir dire, on va fermer parce que les gens, euh, ou du moins les promoteurs n'ont pas payé, voilà, on leur a imposé, on les a imposés, ils n'ont pas voulu payer, on va fermer. Mais on va créer des chômeurs. Avec tout ce beau monde-là qui travaille, en tout cas qui arrive à se débrouiller à travers ces médias, en fermant. Est-ce que c'est ça la solution en demandant à un média de payer 30 millions ou, euh, je ne sais pas, euh, même 20 millions, c'est une façon de dire, bon, on a décidé de fermer parce que tout simplement, il est difficile, il est difficile de pouvoir eh, amener les promoteurs là parce qu'ils n'en ont pas. pas je, ne les défends pas, hein, mais je sais un peu comment ça fonctionne. Ça fait pratiquement plus de bientôt 30 ans que je suis là. Je sais comment ça fonctionne. Il n'y a pas d'argent. On ne peut pas chercher l'argent avec la presse. Et on oublie de l'autre côté que alors, Suleiman vient de le dire, c'est un service public. De la même manière que euh, de l'autre côté, les médias publics euh, sont en train de travailler, les médias privés aussi. En tout cas, ils font la même chose, ils font ce travail-là, en tout cas d'intérêt général. Alors, si on décide un beau matin parce qu'on a besoin de l'argent, on ne peut pas trouver de l'argent avec les médias. Ça, c'est un problème. Mais ce qui est déplorable dans cette situation, euh, c'est que les, organisations socio-professionnelles des médias ne se sont pas mobilisées, en tout cas pour dire non, ça ne va pas se passer comme ça. Ils se sont tués, on ne sait pas, ils se sont tués plutôt jusqu'à ce que maintenant, euh, le gouvernement est passé à l'acte. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Parce qu'à l'époque, dès qu'on pose ces jacques de questions par le passé, on a eu des mobilisations pour dire non, c'est pas possible. Il y a eu des négociations, mais on constate malheureusement que les organisations qui devaient prendre les choses en main, ces organisations ont été inactives. Et c'est ça qui est déplorable. Rapidement, Roufaï. Tu, tu, enlèves moteur d'une télévision, la, la, plus grande qui soit au Niger. Tu prends tout ce qu'il y a dedans. Quand tu, vends ça, quand tu revends ça, tu n'auras pas 5 à 10 millions. Donc, euh, comment, comment les gens la peuvent trouver 20, euh, 30 millions Je pense que c'est. C'est beaucoup demandé. C'est la mort de, des organes de presse, quoi, si on continue comme ça. À présent, parlons des examens de fin d'année scolaire après le BPC e tenu du 26 au 28 juin dans toutes les huit régions du Niger. C'est c'est à Tillabéri que le ministre euh, de l'Enseignement supérieur a lancé mercredi le début des épreuves du baccalauréat 2018. Toutes euh, les dispositions sont prises pour un bon déroulement de cet examen, selon le ministre Yahouza Sadissou, au micro de notre correspondant Haruna Soumei. Je voudrais profiter pour euh, saluer la contribution de tous les acteurs de l'éducation pour avoir sauvé cette année 2017-2018. Il vous souviendra des péripéties qui ont émaillé cette année et nous avons fait le pari qu'elle sera sauvée et grâce à Dieu, elle est sauvée. Les filles représentent 30,5 7% des effectifs. Là également, c'est une avancée significative qu'il faut souligner. Nous avons appelé les candidats à ne compter que sur leurs propres efforts et nous avons aussi lancé des appels à tous les membres du jury, aux correcteurs, aux surveillants, à tous les acteurs qui interviennent dans l'organisation de ces examens d'être vigilants au cas où quelqu'un se hasarderait à faire usage de la fraude. En tout cas, des dispositions sont prises pour traquer des individus de ce genre. Alage Mohamed Souleyman, que peut-on dire sur l'organisation des examens du BPC et du BAC 2018 euh, Merci. Euh, d'abord, par rapport au BPC, il faut le reconnaître, il y a quelques ratés parce que déjà, on a parlé de quelques cas de fraude. On a même arrêté des élèves. Euh, bref. je pense que c'est assez gênant pour notre pays. ces examens-là organisés par l'État, euh, chaque année, si effectivement, malgré les menaces, euh, la dernière fois, euh, le gouverneur est allé avec le président de la Alcia pour intimider, pour menacer en tout cas, mais n'empêche que juste à quelques jours, on a appris qu'il y a eu fraude, il y a eu. Moi, je pense que il y a eu tellement de discours. C'est l'application de la loi. Il faut sanctionner de manière exemplaire. Parce que l'école, si jamais on, développe la corruption, particulièrement à l'école, partout elle est mauvaise, mais à l'école, c'est la voie la plus sûre vraiment pour détruire le pays. Donc vraiment, je pense qu'il va falloir euh, sanctionner et les élèves et les enseignants des malheurs vraiment exemplaires pour qu'en réalité, qu'on puisse euh, désormais en tout cas organiser ces examens-là sans accro. Euh, parce que je pense que quelque part, hein, c'est un, échec pour l'État pour euh, vous voyez, non seulement. D'investir beaucoup d'argent dans l'organisation. Absolument. Non seulement pour le bac et le BPC, mais aussi les autres, concours. Pourquoi à chaque fois que l'État organise des concours, on n'arrive plus vraiment à, à préserver. sécuriser les, les, concours. Sécuriser, absolument. C'est une défaillance quelque part. Et je pense que c'est le manque d'application de la loi. Donc, vraiment, notre attente que vraiment, c'est tellement important ces examens avant. On est passé par ces écoles-là, mais aujourd'hui, en tout cas, la situation est encore plus vraiment compliquée on pense que l'État a failli. Il va falloir vraiment, euh, euh, franchement, euh, assumer vraiment cette responsabilité pour vraiment inverser la tendance. Et qu'en est-il au niveau du baccalauréat cette année pour l'instant Pour l'instant, ce qu'on a constaté, que le ratés aussi, c'est les, correcteurs, qui risquent de prendre en otage si on ne fait pas attention. donc les, résultats. Déjà, eh ben, beaucoup, beaucoup n'ont pas participé à cette correction. Euh, bon, pour le moment, euh, je pense peut-être qu'ils finiront par le convaincre euh, si c'est une, question d'intendance. Si on dit effectivement qu'il est disponible, ils vont voir effectivement comment les convaincre. Là, je ne sais pas vraiment. Nissa, les épreuves ont-elles, été à la portée des candidats oh, je n'ai pas vu les épreuves. Je ne peux pas savoir est-ce que ça a été à la portée ou non. Mais moi, je vais parler de l'organisation. au-delà de l'organisation, même un peu la gestion de l'école. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue que c'est bien vrai, on est parvenu à organiser des examens, le brevet et le bac actuellement, mais il faut créer les conditions de stabilisation et de machine et comment de bon fonctionnement de l'école. Parce que c'est ça le développement, ce n'est pas autre chose. Il ne faut pas que les gens perdent de vue que la formation des ressources humaines en qualité et en quantité. Et, puis considérer la profession enseignant comme une profession très noble. Parce que quelqu'un qui est là, qui, qui, qui, qui pratiquement neuf mois durant, il s'élève, il prépare, il forme les, les cadres de demain. Si on doit créer les conditions, si on ne crée pas les conditions, parce que ah, par, le passé, il n'y avait pas de troubles à l'école. Quand on dit c'est le 1er octobre que la rentrée débute, le 1er octobre, il faut attendre fin juin pour que, comme on dire, euh, sans, perturbation, on a connu des perturbations. Aujourd'hui, on arrive jusqu'à un stade où c'est carrément les enseignants correcteurs pour le bac. Ils disent ils vont pas corriger parce que tout simplement. Moi, j'ai dit, il y a une inconséquence. Ils ont des reliquats de l'année dernière. des reliquats de l'année dernière. J'ai dit, il y a une inconséquence. C'est quoi ces reliquats Est-ce qu'un État ne peut pas créer les conditions pour que, avant que les examens ne débutent, ou du moins, en tout cas dans la même année, qu'on puisse les régler au cours de l'année, qu'on puisse les régler. On attend jusqu'à ce que, c'est à la veille, je crois, ils ont fait des manifestations, ils ont fait des déclarations. Moi, je pense que ce n'est pas responsable. L'école est importante. C'est très important. Quand un pays abandonne l'école, le pays a abandonné son développement quels que soient par ailleurs les millions qu'on va ou les milliards qu'on va déverser dans le pays, s'il n'y a pas des gens bien formés, des enfants bien formés, ça va aller dans le vent. Orfaï pour vous, qu'est-ce qui n'a pas véritablement marché dans l'organisation de ces deux examens. Le ministre a dit qu'on a sauvé eh, l'année. Oui, on a sauvé ce qui peut l'être, mais et eh, quelles seront les, conséquences Moi, c'est à ça que, j'ai pensé. Et on a parlé des fraudes, des tricheries. Il y en aura toujours. Pourquoi même si on applique la loi à la lettre, il y aura des fraudes. Parce qu'aujourd'hui, les, les, élèves ou les, candidats n'ont plus, n'ont, plus l'assurance, ils ne sont plus sûrs d'eux ils se disent que je ne vais pas admettre. Pourquoi Parce qu'ils savent que ils n'ont rien fait tout au long de l'année. On a sauvé l'année pour ne pas faire une année blanche. Ça, c'est bon pour, pour, le, pour, le, pour le, gouvernement, mais ce n'est pas bon pour les euh, candidats parce que eux n'ont pas étudié. Et même si on dit qu'on a fait des rattrapages, mais rattrapage comment À un certain moment, tu perds et tout, tout goût, tu perds l'amour même d'étudier. Même si on te dit de revenir faire le rattrapage, tu ne feras. Tu vas venir à l'école, mais tu ne feras pas bien, bien cela. Je pense que et aujourd'hui encore, demain, il y aura de la tricherie, il y aura des fuites et, aux examens parce que les, les élèves. donc, selon vous, la fin de la prod, c'est pas pour. Euh, ce n'est pas pour aujourd'hui, ce n'est pas pour demain parce que les, les élèves ne sont pas sûrs d'eux. Ils se disent que je ne vais pas admettre quand je pars et composé. Pourquoi Mais il n'y a même pas les, les, les, BABA. Quand on fait, et sur 9 mois, on fait 4-5 mois de grève. Même si on fait rattrapage, imaginez ce que ça va faire. Le, cerveau ne va pas prendre. Et je pense que on a sauvé l'année. C'est bon, mais il faut créer les conditions pour que l'année prochaine, que tout soit bien fait, qu'il y ait une bonne rentrée au début du mois de septembre, puisque c'est à partir du 15 septembre pour les lycées, et qu'il n'y ait pas de perturbations par exemple, l'argent de, de, de, correction de l'année passée, c'est maintenant qu'il faut. Vous voyez, non Je pense que c'est il y a eu, on a délaissé, c'est à un, une fuite de responsabilité quelque part. L'argent, c'est combien Tout l'argent même de, millions, tout l'argent, donc c'est 5 millions. Ça veut dire que si mm. on a donné 200 ou 300 millions, il reste 5 millions, on n'a pas payé ça avant pour éviter tout cela. Je pense qu'il faut s'assumer à un certain moment. la question de la fraude là. Moi, je rapidement. non, non, rapidement, je vais dire la question parce que la fraude, moi, je pense que ce n'est pas les enfants des pauvres ça veut dire il y a, des niveaux où, d'en haut, c'est eux, avec euh, les nouvelles technologies, tout ça, et puis ils partagent ah entre eux. Sanctionner, sanctionner l'enfant, sanctionner les enseignants, non. Il faut sanctionner jusqu'en haut, parce que certainement ça a été suscité d'en haut. Le Niger va continuer à servir de pays de transit pour les demandeurs d'asile, notamment acheminés de la Libye voisine par l'ONU, a indiqué samedi le président nigérien Issoufou Mahamadou. Nous sommes un peuple ouvert à l'hospitalité, nous sommes un peuple généreux, nous accueillons les gens qui sont en difficulté, euh, qui sont dans le désarroi. C'est la tradition de notre pays, a déclaré le président Issoufou à l'issue d'un entretien avec une délégation de l'ONU conduite par sa vice-secrétaire générale, Madame Amina Mohamed. L'essentiel, c'est que les gens ne restent pas longtemps au Niger. Il faut que le transit au Niger se passe très vite, que le temps soit minimal. C'est la seule condition que nous posons a expliqué le président Issoufou, cité dans une dépêche de l'agence France Presse. Ousenissa, quelle analyse faites-vous de cette déclaration du président nigérien Issoufou Mahamadou Vous savez, d'abord, moi, la mobilité, là, la mobilité humaine, je pense que c'est quelque chose de très important. C'est nécessaire selon selon non, Mais bien sûr, c'est nécessaire. Tous les pays, c'est comme ça. Les États-Unis ont été créés comment Grâce à la mobilité c'est pas ils sont partis trouver des, un peuple qui, les autochtones ils les ont notamment les indiens les c'est comme ça que ça s'est passé. Qu'on dise aujourd'hui, les gens ne doivent pas bouger. Et nous, notre pays, avec toutes les difficultés que nous avons, les difficultés économiques et tout et tout, on va accepter que ce soit chez nous, que nous soyons un déversoir. Parce que c'est ce que ça signifie. Les gens qui vont être, c'est pas d'abord des Nigériens, parce que les Nigériens, quand ils vont, ils reviennent. Et ils vont généralement dans les pays limitrophes, notamment la, Libye, la Libye, l'Algérie, et ils reviennent. C'est une migration saisonnière. Les gens qui essaient d'aller en Europe, c'est des gens qui viennent d'autres pays. Nous avons déjà des difficultés pour pouvoir insérer les jeunes. En tout cas, créer des emplois pour les jeunes. Comment on peut admettre ou on peut accepter que nous soyons un pays où, partout où on, évacue les gens, on prend les gens, on les retourne, que ce soit chez nous qui viennent s'installer. Avec quels moyens Parce que le fait de dire, il ne faut pas que ça soit la durée ne soit pas, il faut que la durée ne soit pas. Mais comment on peut assurer que cette durée-là Parce que c'est pas évident que ceux-là qui sont en train, je veux dire l'Union européenne, un peu les pays occidentaux, n'est pas évident que les financements suivent. Ils vont vous déverser, mais ce n'est pas évident qu'ils vous donnent l'argent pour créer les conditions pour que ces gens-là puissent se retourner chez eux. Et on risque d'assister à ça. J'ai suivi tout récemment, il y a 48 heures, il y a récemment cette semaine, j'ai suivi le, le, Maroc a dit non. La Mauritanie a dit non. Et il y a un certain nombre de pays qui ont dit non. Ils ne vont pas servir de déversoir pour l'Europe. Quand on prend les gens, on n'a qu'à les rapatrier chez eux. Mais on ne peut pas venir les mettre ici parce que c'est des migrants le plus souvent économiques. C'est économique, ce n'est pas des migrants, machin, des euh, euh, euh, réfugiés, des, réfugiés politiques. Réfugiés politiques ou autres. Voilà un peu la difficulté. On va devenir comment euh, euh, Rufai la situation des migrants au Niger, est-ce une opportunité ou des difficultés et Je veux parler comme la, France qui disait on ne va pas euh, recevoir toute la misère du monde, ou, euh, ou comme Trump qui, qui, construit un mur pour arrêter la migration mexicaine et, et j'en passe. Si eux aussi n'arrivent pas à, à contenir tout ce, tout ce monde, qui pour eux-mêmes est, plus important. Pourquoi je dis ça Aujourd'hui, quand vous prenez, on va en parler, l'équipe de France, c'est la migration qui a fait qu'aujourd'hui, ils ont des, des, des, des, des très, très, grands joueurs. On peut euh, euh, parler depuis l'ère de Platini. Platini, c'est un immigré italien. On est venu à Zidane, algérien. Aujourd'hui, on a les, les, Mbappé, les, les N'Golo Kanté. Vous voyez, c'est bon. Et ils ont sélectionné et ils ont pris le meilleur. Mais nous, euh, est-ce qu'on a d'abord la possibilité de les sélectionner Non. Est-ce qu'on a la possibilité, comme l'a dit Ouseni, de, de, de savoir si ces gens-là qui vont venir vont durer ou pas Non. Dès l'instant où ils viennent, ils vont, et, ils vont rester ici et c'est fini. Et est-ce qu'on peut les contrôler Ils peuvent venir avec toutes sortes de maladies dans ce pays, contaminer et, toute la population, ils peuvent être des voleurs, créer donc des, bandits de, grands chemins. Il peut y avoir beaucoup de choses. Je pense que quelque part, et c'est vrai, on est, on, on ne peut pas empêcher qu'on soit un pays de transit. Pourquoi Parce qu'on est presque un carrefour, un passage obligé. Mais je pense qu'on ne doit pas accepter tout le monde de venir au Niger. On ne doit pas accepter un grand nombre de, de, venir au Niger, même si notre religion nous pousse à dire qu'on oh, doit s'ouvrir à l'autre, accepter l'autre. Mais je pense que quelque part, eh, on a des difficultés déjà à gérer la jeunesse nigérienne qui est là, comme le disait Chirac, qui est une bombe à retardement. Beaucoup n'ont pas de travail, beaucoup eh, sont là, même si quand tu as, un travail, tu as un salaire précaire. Donc si on n'arrive pas à, gérer ceux qui sont déjà là et qui sont les nationaux du pays, comment on peut le faire avec d'autres qui vont venir Alage Mohamed Suleiman, le Niger peut-il continuer à être ou à constituer une base arrière pour euh, tous les migrants subsahariens euh, Bon, je pense que euh, il y a une donnée peut-être un peu géographique, notre position en tant que pays. Je ne rentre pas dans le détail sur l'engagement du président Issouvo avec euh, les pays occidentaux euh, dans la question donc euh, de l'immigration. En tout cas, ils sont très loin dans la coopération, dans tout le monde le sait. donc, mais maintenant, il y a que notre pays, effectivement, constitue tout simplement géographiquement parlant un passage, comme l'a dit Rufai, obligé, donc un pays de transit. cela se fera très certainement avec l'OIM déjà dans le cadre de la lutte contre euh, le trafic de personnes euh, et l'immigration donc euh, irrégulière, donc ce que appellent donc le trafic illicite. donc, il y a une sorte de collaboration avec les pays occidentaux où effectivement ils mettent les moyens à l'exposition donc de l'OIM, donc l'Organisation internationale de, de, donc de la migration qui fait des facilités donc euh, à ces gens temporairement le temps qu'ils retournent chez eux ou bien en tout cas euh, bon euh, il me paraît évident qu'effectivement le pays a des difficultés réelles donc le président le disant je pense en tenant compte donc de tous ses appuis et aussi quelque part dans son discours par rapport à la question au-delà donc vraiment du, du, comment, dire, du factuel en tout cas du circonstanciel c'est que euh, la vision politique qu'il a, et en tout cas euh, tout le monde le sait, euh, la vraie solution, c'est créer les conditions vraiment économiques, vraiment d'insertion de, de, la jeunesse parce que franchement, comme l'a rappelé Rufai tout à l'heure, quand je regarde les footballeurs de grands pays, tu vois le mensonge entre le discours politique et la réalité. On aime justement, vous allez voir parmi ces, blancs, c'est même des noirs quoi, ou bien des arabes. Dans, vous voyez Mais cela, effectivement, parce qu'ils peuvent apporter une valeur ajoutée. Le but français, <laughs> effectivement, c'est un noir <laughs> qui l'a marqué avec sa tête. <laughs> Donc, vraiment très noir. Bref, c'est vous dire que, franchement, comme l'a dit Hussein la question de l'immigration, il y a un traitement politicien qui est fait entre euh, nos pays et le monde occidental, mais j'avoue que c'est un débat qui est loin d'être épuisé. Il y a une dimension vraiment universelle de la question. On ne peut pas promouvoir la libre circulation des personnes et de leurs biens et aussi ne pas considérer que les personnes sont libres de, de, de, de bouger à travers le monde. Donc vous voyez, en fait, c'est contre, euh, vraiment, c'est aller à contre, à contre courant de l'histoire parce que les faits nous montrent que, de manière, en tout cas, hier comme aujourd'hui, les gens circulent librement. Aujourd'hui, les Occidentaux, en tout cas, ils pensent que vraiment c'est une fuite en avant. Ils pensent que c'est les gens qui viennent là. Non. En réalité, ceux qui ont vécu en Occident savent que les hommes qui vont là-bas, en réalité, ils font de sale boulot, ils font des boulots qu'ils ne font pas, ils viennent vraiment construire leur pays mais il y a vraiment une mauvaise solution qui est envisagée. Et très malheureusement, ici, en tout cas dans nos pays, on pense que c'est la voie et c'est bien regrettable en tout cas. Mais je pense que le vrai débat, la question de l'honnête épuisée, il va falloir accepter que vraiment, si ces jeunes-là, leur désir de, sortir, malgré la répression, ils continuent à braver euh, les mesures, ce effectivement, ce qui les fait partir vraiment est plus fort que ce qui veut le bloquer. Du à présent avec euh, la Croatie qui s'est qualifiée pour la finale de la Coupe du Monde euh, Russie 2018 en battant l'Angleterre par deux buts à 1. Un match euh, difficile joué mercredi à Moscou. La Croatie sera ainsi face à la France pour la finale de dimanche. Analyse du match et pronostic de la finale avec Haroun Abdullah, entraîneur de l'AS de Niamey au micro de Soumana Amadou. La Croatie les a surclassés par l'expérience, notamment avec des joueurs cadres qui constituent leur équipe. Il faudrait aussi c'est une équipe qui regorge de beaucoup de joueurs qui évoluent à très haut niveau avec assez d'expérience. Et à l'usure, ils sont arrivés au bout de ces Anglais constitués de beaucoup de jeunes joueurs. Je pense que l'expérience l'a remporté sur la jeunesse. Si je dois pronostiquer cette finale, je pronostiquerai la France parce que là, la France a beaucoup d'atouts offensifs. Bien organisés en défense, ils peuvent véritablement gêner ces Croates. Si on cumule les temps de jeu, ils ont un match de plus que la France parce qu'ils ont eu trois prolongations. Donc ça fait pratiquement un match. C'est des trucs qui vont rentrer en compte. Mais ça reste ouvert pour les deux équipes. Celui qui va rester plus concentré, qui va mettre beaucoup plus de rigueur euh, dans l'organisation de son jeu, va s'en sortir. Rufai Comment expliquer la qualification de la Croatie pour la finale alors que euh, les grandes nations du football mondial sont tombées prématurément Non, ils sont grands aussi. Les Croates, quand vous prenez les joueurs qui composent ces équipes, ils sont partout en Europe dans des grands clubs. Quand vous prenez Modric, les... Mais au niveau du classement mondial de la FIFA, euh, ils sont dans les 30, e Non, ça, ne veut rien dire. La France, je crois, est 12e. Elle est en finale aujourd'hui et je crois qu'elle est favorite. Mais ils sont incroyables, ces Croates. Quand vous voyez, je crois que c'est la première fois ou la deuxième fois dans le soir qu'on a eu un pays qui se qualifie et après avoir joué les prolongations trois fois, huitième de finale, quart de finale, demi-finale. C'est vraiment incroyable et c'est vrai comme l'a dit Haroundoula, ça va peut-être se sentir, même si c'est en finale, ils vont dire on va faire le match de notre vie, on va, c'est la Coupe du Monde, c'est ce n'est pas tout le monde qui gagne ça, c'est quelque chose d'incroyable quoi. Mais je pense que ça va quand même se, faire sentir. Ils ont un match de plus que la France, ils ont 24 heures de moins de récupération que la France. Et quand on voit aussi la manière dont Deschamps a, a, mené son équipe du début de la compétition à aujourd'hui, comment il, arrive à, est arrivé à bloquer eh, des joueurs comme Messi, comme Suarez, et eh, je pense qu'ils ont eh, un peu plus de chance. Je pense que c'est 51-49, mais c'est une finale. C'est, ça va se jouer, ça, sera ouvert. Rufai c'est un constat depuis l'élimination des pays africains à la Coupe du Monde. On ne parle plus euh, d'assistance vidéo dans l'arbitrage Non, en fait, il ne faut, pas, il faut pas toujours euh, dire qu'on fait quelque chose contre nous. La, dernière fois, on avait parlé avec euh, le grand frère Oseni, il disait que l'arbitrage a défavorisé l'Afrique. L'Afrique, ça a défavorisé aussi certains pays et, <clears throat> européens. Et c'est on est au stade de l'expérience. C'est la première fois qu'on a utilisé la, vidéo. Quand on expérimente, il y a toujours des petits quoi qu'on va essayer de régler puisque je crois que c'est un processus maintenant irréversible, ils vont plus revenir en arrière. Et j'ai suivi le euh, Infantino, le président de la FIFA, qui disait que ça rend plus transparent et plus honnête et euh, le football. Je pense Donc c'est une révolution. C'est une, révolution technologique, même si moi personnellement je suis contre euh, l'arbitrage vidéo parce que ça, ça déshumanise le football et le football humain. Il y a des petites erreurs qui, qui sont, qui sont commises et on doit faire avec. Je suis d'accord avec Platini quand il disait qu'il est contre la vidéo et vous voyez deux fois on fait trois quatre minutes avant de prendre une décision ou bien on laisse le, match se poursuivre pendant une minute, deux minutes, on revient pour dire qu'il y a euh, un problème ou bien on appelle quelqu'un dans son oreille pour lui dire qu'il y a euh, litige, il faut revenir, ça casse le rythme ou quand tu marques un but, au moment où tu dois célébrer, puisque c'est spontané, on te dit non, on va aller à la vidéo. Je pense que ça a déshumanisé eh, le football. Et moi, je, ne suis, suis contre, sincèrement. Nissa, qui de la France ou de la Croatie remportera la Coupe du Monde Russie 2018 toutes les deux équipes peuvent gagner. <laughs> Ah non, bien sûr, non. Je vais du principe que il faut voir le parcours des Croates. Personne ne pensait qu'ils allaient arriver à ce stade-là. Ils sont endurants quand même, ils sont endurants. Ils, sont ne se découragent pas. Ils ne se découragent pas. Et puis, quand on a vu un peu le dernier match qu'ils ont joué face à l'Angleterre, finalement, c'est les Anglais qui couraient dans tous les sens. Et c'est pour ça que j'ai dit, la partie où, comme on veut, on veut le faire croire, les Français, c'est pas d'avance gagnée avec les Croates là. Parce que c'est karma des, des je sais pas, des, diesel. Quand ils sont sur le terrain à un certain moment, on n'arrive plus à les contrôler, ils sont, ils sont, ils sont imprenables. Mohamed Souleymane, rapidement. 30 euh, secondes. Ben, je n'ai pas beaucoup de secrets par rapport à ça. Ce que, je, constate, euh, comme l'a dit Rufai, euh, c'est la prouesse des Croates, justement, ce qu'ils ont fait. Cela veut dire qu'ils sont capables de faire du miracle. Mais je suis français. <laughs> Voilà, nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Nous étions avec Alhaj euh, Mohamed Suleiman, directeur de la rédaction du journal en ligne Niger Inter, Husseini Issa, journaliste indépendant, et Rufai Dandoua, journaliste sportif. Merci à vous tous pour votre fidélité au programme du studio Kalangou. Rendez-vous samedi et dimanche de 17h15 pour le forum en Hausa et en Zarma. Merci, au revoir.